sa bisa kan shirin tous à la fin da studio Kalangu ke sarrafa ma duka Niger. Au micro, Rabia Mekano. À la de ce soir, nous mettons sur la table un sujet plutôt délicat, la situation des filles mères au Niger selon une étude de l'UNFPA le fonds des Nations Unies pour la population 19% des jeunes femmes des pays en développement tombent enceintes avant l'âge de 18 ans en 2018 a faɗin duniya kowace shekara 'yan mata masu ƙasar shekara 18 su miliyan 7.3 ne suke haifuwa masu shekara 15 kuma su miliyan 2 ne ke haifuwa a duniya dans une société conservatrice, la question des filles mères demeure encore taboue. Alors comment évoluent-elles et à quels défis font-elles face au quotidien ces jeunes mamans a cikin wannan shirin muna tare da wata kungiya mai kula da waɗannan 'yan matan da kuma da likita don mu samu amsoshin tambayoyin namu musique, rubrique et la chronique seront également de la partie. Coucou Mr. Oli Salut Rabi, comment vas-tu Ça va, tu vas bien, tu es avec nous ce soir ah Alors bah, Ah bah oui, je suis avec toi et je suis avec nos auditeurs encore ensemble pour une aventure, euh, première chronique de l'année. Donc civilité, ouais, civilité oblige, bonne et heureuse année à tous nos auditeurs. On espère vraiment qu'elle sera bonne ah et heureuse cette année. Ah bah oui, c'est l'espoir qu'on fonde. On a quoi un menu ce soir Eh bien, ce soir nous allons analyser un peu la rhétorique du nouveau coronavirus une rhétorique euh, qui a évolué en passant de la sensibilisation. Maintenant, nos États pensent à la sanction. Eh bien, nous allons essayer d'analyser comment les messages sur le coronavirus ont évolué depuis le début de la Covid au Niger, mars 2000. Ok, super. À tout de suite, Olivier. L'éphémère leur vie de tous les jours et leur combat au quotidien. On en parle ce soir à la FADA avec Dr Al-Mokhtar Bako. Il est médecin docteur. Inakwana. lahiya lau rabiatu ok ya aiki to da dama sai godiya to uh, en espérant ku fada kuwa ina lahiya a ah wannan fadar mana da urban Agemon du collab santé mère et enfant monsieur urban ça va vous allez bien très bien rabia je vais faire suite à ce que olivier a dit ce que docteur bako a dit et souhaiter une bonne et heureuse année à nos auditeurs Bienvenue à la FADA, bienvenue avec Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller à Gadez où deux filles nous racontent leur histoire. au micro de Anise Karim. Na haifu yanzu ɗana watan shi bakwai, amma ni da na haifu ban samu matsala ba. Gidan mu an kula da ni an mini komi da in Na zo cikin mutane kowa na son ɗana kamar ya doke shi haka yana mishi wasanni yana kula da shi. Babu wanda ke ga min magana ko gudani da mutane ayi wasa da dariya ayi zaman mutunci a watsi. Kamar madara ma ba ni ke sayanta ba mutane wani bisu ke so ta sika mishi. Ban samu matsala ko guda ba kuma yanzu ma ba zan samu matsala ba da yarda Allah. Wanda na haifu da shi yana kula da ɗan shi sharshin shi duka ya doke abin shi na dan shi tunda na fi gidanmu sun bani magana sam na kawai nake gidanmu na doka ina fata Allah bani mijin arme in yi arme da lokacin da na aif an kore ni daga gida sai na te na zamna gidan kakata na yi shekara guda amma daga baya sai na dawo gida na ci gaba da rayuwa mutane da na aihu suna kyamata wasu suna gaya min magana har wata ran ma na taba rikici da wani saboda na aihu bani da armi na samu matsaloli da dama a lokacin da na aifu ba mai bani komin shi sai dai in je in yi debur da kaina madarar yaro na sai na siyi komin shi ne ke yi har ya kai shekara ɗaya da rabi da gare shi ina cikin matsala fa tunda in na shigo wuri sai ka ga ana kallo ana gaya wasu maganganu duk da ba ni kaɗai ba na aif a garis da yawa in matan da suka aifu irin matsala ta suke ciki amma wasu ba su samu wannan matsalar surtun ba ka samu wanda ya ɗauki ɗan ba sai ka shiga matsala kamar irin nawa ba ka san me za ka yi ba kullum mu akwai tunani babu wata kariya da kuma da ake ba mu ke rike diyan mu ke muskoni. in ka ga wande ne ya tausaya ya baka amma wallahi aifuwa haka ba ta da kyau ni ba cikin suna ba ne kaddara dai ci wanga da aka yi kuma ba za a sake ba in ba armi kai ba ba ka huta ba tunda wani zai gaya maka magana kuma ba yanda za ka yi ko ka kai shi wajen iko ba wani abu ake musu ba

wadda ita ce ke ba mu kamar sani mu diba mu gani bisa duka bangaren rayuwa mm. menene ke faruwa menene ake iya yi kuma uh, akwai uh, eh, kusan waga lakol mm. uh, wadda ake ce ma faculty de medicine lokaci zuwa lokaci akwai diba da ake yi a ga menene ke damuwan mutane an ba an gan duka wa'annan cikin wa'annan takardodi ko ko ayyuka da an kai eh, kamar muna iya can an ka ce eh, fidi ya kamata mu yi definir eh, age lokaci mhm. oms tana ca kama matasa su ne wa'anda suke da har shekara 24 akwai kungiyoyin da ke ca kuma wasu suna kai har shekara 30 ko ko sharta african de la jeunesse ta ce har shekara 35 mm. kenan in ana zancen fi kenan matasa ko ko mata matasa cikin wannan bangare ne muke an diba an gada muna mace uku an ka ɗoka guda deja har take kai shekara goma sha tara ta san namiji kuma cikin ukun nan akwai biyu wa'anda ke da iya samun ɗiya ba da cikin sonsu su ba da ke iya samun hatsarin samun ɗiya ba da cikin son su ba kenan lalle mun ga abu ne eh, mun ka diba mun ka gani abu ne wanda ke da mahimmanci wanda ya kamata mu duka mu diba mu gani menene ya kamata a yi wa'annan matakai ya kamata a doka don wa'annan eh, yara matasa don wasu ba da son su ne yake zawa ba mm-hmm, mm-hmm. Eh, kaka za mu yi don mu kamu su tallafi saboda gyara rayuwarsu urban muna so mu sani ku kungiya ce mai kula da wannan 'yan matan ya ne kuke taimaka musu kuma vous accompagnez ces jeunes filles comment vous procédez Voilà, nous donnons la possibilité à ceux qui vivent la situation. Quand on parle de fille mère, une fille a forcément des frères, a forcément des cousins, a forcément des amis qui la voient vivre une situation dramatique. Parce que fille et mère sont deux mots qui ne devraient pas être contractés. Une fille devrait être l'enfant d'une mère, mais une fille ne devrait pas être une mère. Voilà. Donc nous donnons la possibilité à ceux qui vivent cette situation de pouvoir la changer. Ceux qui sont dans cette réalité, de pouvoir monter un projet, un projet qui colle le plus possible aux réalités de la fille en question. Nous, nous leur donnons un accompagnement personnalisé de six mois pour pouvoir régler ce problème. Et nous leur donnons également un financement de 4 000 euros, soit un peu plus de 2 500 000 pour pouvoir changer la donne. OK. Euh, quelles catégories euh, sont concernées Celles qui sont rejetées, comme ce qu'on a entendu là euh, avec la jeune fille d'Agadez qui est rejetée par sa famille qui a du mal à acheter du lait. C'est plus elles qui sont concernées ou toutes celles qui vous approchent Tous les aspects se sont concernés. Quand on écoute la jeune dame qui a été rejetée, si elle a la possibilité de mettre en place un projet pour, pour s'aider soi-même ou aider d'autres filles qui vivent la même situation qu'elle, elle peut participer au collab. Nous, nous l'accompagnons. La, ok. Doctor, don su akwai wasu da kuke gani kamar a cikin likitoci da kuke gamuwa da su, mene ne ya tara musu hankali? Wata matsala ce ta tara musu hankali wa'annan 'yan matan an gamu da su? Kun euh, san kashi-kashi suke. Hmm. akwai wa'anda in sun ka zo tun da hwarin wasu ba su sami gare su ba suna zauwa ganin mu don a kawo musu tallafi su samu su gane menene gare su saura in sun ka san da suna da juna biyu akwai uh, masu so su ɗoki uh, eh, mataki wanda ke iya kawo hatsari babba ga rayuwarsu uh, eh, ne zub da ciki mm -hmm. kenan kun ga wannan shi ma matsala ce babba wa'anda ke zauwa baya akwai wa'anda ba su consultation prenatal saboda suna gudun maganganun mutane mhm, mhm. sai in abu ya kawo daf daidai ga ya kai lokacin aihuwa lokacin da za a gane ta da dukkan illolin da ake iya samu na hatsarin zuwa wajen aihuwa ita uwa koko rasa ɗa koko uwa gaba ɗai daidai wajen aihuwa kuma bayan wannan akwai wa'anda in suna da ɗiyan akwai wanda ake cema reje social hmm. mutane ba su ba su tallafin da ya kamata ba su zama tare da su koko ana dibi kamar ba mutane ne ba wannan kuma yana ka illa ta wajen bangaren côté mental. Mais maintenant, les filles que vous rencontrez, euh, Monsieur Urbain, quels sont leurs réels problèmes Qu'est-ce qui leur pose vraiment problème Qu'est-ce qui pèse sur euh, les épaules de ces Merci beaucoup, Rabia. Le docteur a parlé tout à l'heure d'état de, bien-être mental, que ce soit même l'accueil dans les centres de santé, que ce soit comment nourrir son enfant, comment se nourrir elle-même, comment se prendre en charge, que ce soit les activités génératrices de revenus. Les filles mères rencontrent énormément de difficultés. l'artiste s'exprime et eh, on se retrouve juste après ir wono niger kasata ba wanda parce qu'elle est plus précieuse que l'or et l'argent. La paix est une richesse qu'un pays a besoin. Préservons-la, cultivons-la car elle constitue le socle d'un développement certain. Mettons à l'écart nos convictions et nos intérêts égoïstes, car ce qui compte, c'est l'intérêt du pays. Le Niger est un et indivisible. Fraternité, travail, progrès. J'aime le Niger. Bonjour et bienvenue sur la rubrique L'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes. sur Surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Je commencerai par ma droite. Lui, c'est Hassan SOS. Tout le monde te connaît par son nom. Oui. Hassan SOS, ok, d'accord, sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu peux déjà me parler de qui est Hassan SOS, s'il te plaît Ok, Hassan SOS à l'état civil, mhm. c'est Chebounouri mhm. Hassan. Donc c'est mon prénom, Hassan Chebounouri. Hassan Chebounouri, voilà. C'est le nom de l'artiste. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas. Tu es né en quelle date Je suis né le 30 novembre 1995. Donc, tu es né le 30 novembre 1995. Monsieur, nous te souhaitons la bienvenue de cette émission. Merci beaucoup. On peut avoir ta date de naissance euh, je suis né le 30 novembre 1995. Il est né aussi le 30 novembre 1995. Alors Hassan, tu peux déjà me dire quand est-ce que tu as commencé, euh, bien évidemment, à chanter D'accord. Mhm. D'abord, l'idée de chanter, euh, c'est depuis l'orphelinat, c'est depuis au village. Mhm. Donc, à bas âge, il y a beaucoup d'activités qui se passent là-bas. Si tu veux être euh, euh, dans le basketball, ou bien tu veux faire du foot, ou bien tu veux faire la musique, Justement. et ils ont créer des cadres spécialement pour que chaque femme. Super. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un mot à l'endroit parce que vous êtes en cas eh, des, bons, des, bons, des bons exemples, eh bien évidemment, à suivre Est-ce que vous avez un message à l'endroit des autres enfants du SOS, à l'endroit des autres enfants aussi qui regardent cette émission. Aujourd'hui, tu as une référence dans la photographie. Aujourd'hui, il y a une référence, eh bien évidemment, euh, dans, dans, slam. slam. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit des autres jeunes pour leur dire que c'est possible Voilà, euh, il faut simplement croire. Quoi. Ceux qui nous regardent depuis SOS Village d'enfants. Donc, mon message à tous les enfants et à tous les jeunes qui sont euh, actuellement au village d'enfants SOS, c'est de leur dire que de continuer à persévérer, à étudier, surtout à suivre leurs études et de, vraiment croire, de croire en eux parce que on est, on est né juste deux jours, trois jours, on a réussi par SOS Village d'enfants. Donc si aujourd'hui on est là, en lui il est devenu islamien, je suis photographe, c'est grâce à SOS Village d'enfants. Bien sûr. Parce qu'on a d'autres. Et grâce à vous aussi, parce que vous savez là où vous, allez. Alors, Hassan, nous animateurs norbe en dehors de musique de faute à canalité uh-huh. nous on émission forme quand c'est le rythme du Niger uh-huh. est-ce que vous ça l'émission on est bon quand la barre TV eh, rythme du Niger émission on est émission no kan aisingi hay kul kan giti artiste maga kan gana artiste on est émission wani beki wani zamir na manga tirna mo ba na ma sin to sin maga no magano o singi barkan dun na mahagoyi din je sais que récemment tu as représenté vaillement le Niger hors de nos frontières tu as représenté les couleurs nationales affiche Mali ta matano islamo dans te dano dara Mali matano le eh. Niger représenté da et voilà moi j'ai j'ai ma façon propre à moi de de me représenter et de représenter mon pays. Parce que quand tu as un talent et que ce talent est parmi tant d'autres mhm. de talents, mhm. il faut savoir se différencier. Mhm. Maintenant, à chaque fois que j'apparais sur scène, c'est de l'art, c'est du spectacle et tu vois un artiste devant toi. Euh, un artiste qui dégage de l'émotion et ça a été très très très bien. Le public malien était vraiment avec moi. Ils étaient très très très contents. Ce qui m'a value d'avoir euh, l'accès à l'enregistrement de deux sons dans, la, un label, mhm. la maison Agoratoire. tu es jaloux le mec, il est <laughs> jaloux. <laughs> il est jaloux. <laughs> voilà. Super, en tout cas, nous te félicitons sur cette émission. De passage, je ferai une mention spéciale à nos amis de Tamani euh, n'est-ce pas, de la Fondation Hirondelle. Big up à vous. Vous faites du bon boulot. De l'autre côté, vous avez aussi, euh, bien évidemment, euh, l'émission Tous au grain. Ok, d'accord, une émission consacrée à la jeunesse malienne. C'était donc. 1 eh. terminator ban hmm. Retour à la fada. Euh, aujourd'hui, on parle d'éphémère, au Niger, leur euh, vie de tous les jours, leur combat au quotidien, les défis auxquels euh, elles font face. On est reçu, la FADA est reçue par le Collab Santé Mère et Enfants. Nous sommes avec M. Urbain Aguemon qui a bien voulu recevoir la FADA aujourd'hui. Avec grand plaisir. <laughs> Merci. Mon docteur da kuma Dr. Bako zan da hira tamu tare da su amma kada kuma ce lambar tamana 80 06 88 54 Mouchourari Sani Yahya Janjuna, il est sociologue. Selon lui, la société à sa part de responsabilité dans ce que traversent ces jeunes mamans. On l'écoute. La grande menace des hommes dans ce sens, parce qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie sociale qui est observable sur ce plan. Nous sommes dans une société où on prive les filles d'une sexualité hors mariage, tandis que les garçons, personne ne leur dit rien. On a l'impression comme si effectivement c'est le sexe de la fille qui est plus cher, qui est plus à protéger. Et de l'autre côté, comme si on encourage les garçons justement à chercher les filles. Et là, vous voyez, on protège alors qu'on encourage là-bas, quelque part. Le garçon peut sortir et puis rentrer quand il veut. La petite fille, tout ce qu'elle fait est contrôlé. Mais malheureusement, euh, dans la protection que nous faisons, nous oublions à aussi protéger les jeunes garçons. On les laisse libres et les garçons euh, ne sont pas sans grande stratégie pour d'une manière ou d'une autre chercher à tromper les petites filles et souvent celles-ci, devant l'incessante demande justement de leur corps, elles succombent, elles se laissent faire et le problème arrive. kun ji je sociologue Jean-Jean ya ce? bisa wannan ra'ayi ina iya ca abin da gayi gaskiya ne kuma eh, abubuwa ne wanda ke kawo illoli da dama ta ɓangaren hanyar lahiya da eh, su wa'annan matasa yara matasa maza da yake ca eh, su ne za su tahiya su ga eh, wagga su ne ke gana yan matan su ga yan mata kuma su koma su ga waccan kuma illa da ake iya samu shine da yawa ba su aiki da wagga fula ta zamani kenan akwai ana iya samun matsaloli ana iya ɗaukar cututtuka wanda matasa ke iya shahawa ma kansu kuma in wannan ya faru saboda wata matasan nan ba su zawa wajen likitoci su san menene ya kamata a yi wani matakai ne ya kamata a ɗoka shi ke kai watara har a samu eh, ciki wanda ba a son shi kuma in an ka samu ciki wanda ba a so kun ga eh, shi matashi tana yi wa yaro ne ba wani ƙarfi gare shi ba bai yarda ya ce shi ne don duk wanda ya ce ɗa ya ce ɗokan nauyin shi ko ya mhm. ce sayan madara mhm. ya ce sayan kaya ya ce kula da lahiyar shi kuma wasu ba su da ƙarhin yin wannan ɗiya matan su ma ba su da ƙarhin yin wannan uwaye su ƙi gane abin da ya faru shine ke sa ana ganin ɗiya mata da yawa cikin hanya sai ya kai su wasu don su samu su ɗauki nauyinsu da nauyin ɗiyansu sai sun koma sai da kansu kenan har yanzu dai an ka ce eh, ana gidan jiya eh, ana gidan jiya dai eh kenan matakan sociolog ne yayi magana haka nan ne matakai akwai su iri iri wanda ya kamata a doka dan illolin da ake iya samu ta bangaren lahiya yawa gare su ita uwa bata kula da kanta ba ita uwa ta koma tana sai da kanta shi yaro bai samu suivi inda ya kamata ba wani ba a mishi vaccination inda ya kamata ba wani bai samu abincin da ya kamata don jikin shi ya ginu da kyau ba mhm. malnutrition kuma bai da lahiya ba a kai shi likita ba balle a samu a san menene gare shi a yi magani wani shine zai kawo illata yara wasu suna cikin hanyoyi kenan kuma shine ke sa yara wa'anda ke cikin hanyoyi suna da yawa. Mm -hmm. Doktor, kan in dawo gare ku urbain. Euh, nous aimerions bien savoir, dans une société aussi conservatrice, euh, on peut dire que vous, pouvez nous dire si vous avez remarqué une certaine indulgence de la société. Euh, une évolution. Une évolution. Merci mm. beaucoup, Rabia. En fait, vous savez, qu'on le veuille ou pas, la société évolue la société est dans une course effrénée. Aujourd'hui, on a Internet. Avant, c'était la télé. Aujourd'hui, on a Internet. Avec un forfait de 100 francs, le monde se retrouve dans votre main. Donc, qu'on le veuille ou pas, la société doit évoluer. Euh, ce qu'on a remarqué de façon flagrante, c'est que les jeunes hommes, les jeunes dames au Niger changent. Changent dans leur façon de consommer les choses, changent dans leur façon de percevoir le monde. Du coup, il est très important. Quand en termes de sexualité, en, termes de santé sexuelle et reproductive, les parents s'adaptent à cette nouvelle réalité. Les tabous doivent cesser. Les, les, secrets autour de la sexualité doivent cesser. Vous savez, quand on va à l'école, on apprend les mathématiques, on apprend les sciences physiques, on apprend la chimie. Mais où est-ce qu'on apprend la sexualité dans une vidéo pour adultes, ce n'est pas du tout évident. Les parents ne doivent pas laisser Internet éduquer leurs enfants, surtout sur le plan de la sexualité. Parce que ce que les enfants voient aujourd'hui grâce à un forfait de 100 francs dans une vidéo à caractère pornographique, ce n'est pas ça la sexualité, c'est tout autre chose. Mais si personne ne leur enseigne la vraie sexualité, évidemment, la nature a horreur du vide. Merci bien, docteur Al-Mokhtar. Eh, duka abin da ya shahi kulawa da ya kamata a ba wa'annan ɗiya matan har da samarin matan da su ne ubannin wa'annan yaran a ina ne wai ya kamata a ce su wa'annan matasan sun je su samu taimako wane ne ya kamata a ce ya fara kula musu ina ji eh, taimako ko ko kulawa ya kamata a ce ta fara tun daga gida yau ya kamata mu yarda mu gane mu ce eh, duniya yanayi na canza kenan tun cikin gida ya kamata a ce uwaye da uwa da uba sun ɗauki lokacin hira da yara bisa ga ɓangaren rayuwa ko ku zamantakewa ta yau da kullum don saboda su samu su gane menene ya kamata a yi menene bai kamata a yi ba menene ake iya yi da ke iya ka illa wannan na ɗaya na biyu eh, ina iya cewa ɓangaren masu kiwon lahiya don ya kamata a ce matasa akwai wa'anda ake ce ma santar de jeune wa'anda cikin santar de jeune in nan ana ba matasa horo da waye kai bisa ga bangaren eh, rayuwa zamantakewa ta yau da kullum menene ya kamata a yi menene bai kamata a yi ba matashi mun san da yana da abubuwa impulsion da yawa abubuwa da yawa wanda yake so ya yi amma ya kamata a ja hannun shi a gwada mishi menene in ka yi wace irin illa ake iya samu su 'yan mata in sun ka zo suna so a ba su haɗin kai da gudunmuwa kan da nake cewa diwa ba su ta yi a likita dami don suna tsoro yau in sun ka tai in ga wadda ta san uwata ko ubana wadda in na hita za ta hiya ta gaya mishi. Ita kanta likitan ma ana jin yawanin mata magana. Bala <laughs> koko in na shiga wa'anda ke kusa suna kallo na ca za su yi shi wanga koko ita wa mine ne ta yi. Ya kawo ta nan. Kenan ta wannan bangare ya kamata shugabanni ko ku kungiyoyi masu kula da matasa mu diba mu gani cikin likitocin akwai kungiyoyi masu kula da harkokin matasa wanda ke aiki da eh, likitoci wa'anda su aikin su menene ne. Eh, DSSR wanda ake cale droit en santé sexuelle et reproductive suna bin duk hanyoyin matakan da ya kamata don jawo kan matasa kuma wasu hamma su ɗauki matakai don raka su gidan likitan da ya kamata don a musu aikin da ya kamata ko ko don su samu aikin da ya kamata kenan matasa akwai hanyoyi da yawa da suke iya bi yau don a kula da su a kula da lahiyarsu. To, just don karin bayani saboda matasa su san ina suke iya tahiyawa suke iya gani. Mm, to mun gode doktor in kunne ya ji jiki ya tsira to yanzu za mu zo mu dan shakata kaɗan bisa kan wannan shirin namu on va se retrouver juste après Duduke de Simi salut. collab, euh, euh, nous sommes avec docteur Al-Mokhtar Bakou, nous sommes avec euh, Urbain Aguémon du collab Santé Mère et Enfant. Aujourd'hui, à la FADA, il est question des filles mamans, de ces jeunes mamans ya ne rayuwa ta ta yau da kullum wannan irin da suke fuskanta wane ne ke iya taimaka musu hira shi muke nan ga wa'annan yan matan da suka aihu ba cikin ɗakin armi ba ya ne ake iya yi a kama musu tambayar mu ta ƙarshe quels sont les besoins de ces mères ya ne ake iya taimaka musu a ganin ku don su umfani kansu har su amfani ɗiyansu Monsieur Urbain Tout à fait. On peut les aider de plusieurs manières. Je voudrais déjà répondre à votre question en disant que les filles mères ont besoin de beaucoup de choses. Mais le tout premier élément, c'est juste de conseils. C'est juste une oreille attentive. C'est juste écouter leurs besoins et pouvoir mettre en place des dispositifs pour satisfaire ces besoins-là. Maintenant, au-delà de l'écoute, il y a des problèmes. Comment nourrir l'enfant Comment se prendre en charge soi-même Aujourd'hui, il est prouvé qu'une fille mère ne peut plus poursuivre sa scolarité normalement sans études, sans diplôme. Qu'est-ce qu'une jeune fille peut devenir dans la société Ça à la prostitution. Nous avons un défi à relever. Merci bien, Urbain et euh, docteur. yanzu ina so in sani menene kuka gani wannan 'yan matan ya kamace su wannan uwaye uwayen yara ne ya kamace su wani irin taimako ne ake iya kawo musu don su amfani kansu su amfani kula da ɗiyan nasu wannan euh, to Eh, rabia taimakon da ake iya kawo musu bisa ga bangare da yawa ne deja taimako kakan da nace yana fara a gida menene kenan eh, a ba su haɗin kai a gane da wataran ba kullum ba cikin son su ne ba abin gan eh, suke ɗaukar juna biyu ko ko yake faruwa wani lokaci menene ake ca erreur de jeunesse ita ke ka haka nan kenan uwaye su gane da in ma ya faru ɗiya mace tana so a ba ta tallafi a kama mata saboda ta samu yaron nan ta kula da shi ta ci gaba kakan da irbiyan ya ce da aikinta ko da karatunta saboda in ta ci gaba da karatunta ta samu diplom inta ita ma gobe tana iya ɗaukar yaunin ɗanta ko ko ta ma wasu irin ta magana don gassu yi eh, irin wannan lahani da ta yi wa'annan ɗiya mata a ɗauki matakai don a musu fasilitan a kasai ga santar da mine menene kenan wa'anda ke jin nauyin su zo su gamu da wa'ancan uwaye manya a ɗauki matakai don a samu a keɓe musu wuri wanda nasu wanda za su tahiya a gane su ba da duk wata illa ba koko ba da jin nauyin tahiya ne ma magani ba Uh, eh, Dr. Mungode kan mu dasa aya ga wannan hira tamu zan mu Je olivier de Chronique olivier a ni. ouais ça va bien Ravi toi tu vas bien ça va ça va ça va alors bonsoir à tous et Bonsoir, chers amis de la FADA. La rhétorique du nouveau coronavirus Covid-19, c'est l'objet de la chronique de ce soir. Eh bien, pour la première chronique de cette nouvelle année, nous allons essayer d'analyser ensemble les formes de discours qui ont accompagné l'évolution du coronavirus. D'abord, regardons de près. Au départ, c'était de la sensibilisation pour le respect des gestes barrières, la distanciation physique, le lavage des mains, le, port de la bavette. Des campagnes de sensibilisation sur les médias avec des sociétés de téléphonie mobile qui nous envoyaient des messages les panneaux publicitaires, les messages de certaines personnalités publiques pour rappeler aux populations les mesures barrières. Mais ça, c'était la communication avant la deuxième vague. Il suffit de vérifier les panneaux publicitaires, vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Même Facebook Niger parle moins de Covid. D'ailleurs, ils préfèrent faire des sondages politiques. Eh bien, au fil des temps, face au constat de non-respect de ces mesures, les autorités nigériennes pensent à durcir les mesures. Eh bien, dans les jours à venir, si vous ne respectez pas les mesures de la lutte contre la Covid-19, vous pouvez être sanctionné. C'est pas moi qui le dis, c'est plutôt Ahmed Boto, le ministre de la Santé publique par intérim, et il l'expliquait le 29 décembre dernier lors d'une conférence de presse. On l'écoute, n'est-ce pas, Ravi Effectivement, à partir d'un certain moment, quand l'État édicte des mesures et que ces mesures ne sont pas prises en compte et que les, les citoyens ne veulent pas les respecter, ça devient un délit un délit, il faut le sanctionner. Évidemment, nous allons, aller de façon graduelle. Mais quand quelqu'un, sciemment, se permet le luxe d'exposer les populations à la maladie, cette personne doit être forcément sanctionnée. Il n'y a pas de raison que non. Eh bien, selon certains de nos sources, au niveau des entreprises et de certains services et bureaux, les responsables mettent en garde tous les employés qui ne respectent pas les mesures barrières. Des notes de service, des réunions, des convocations sont quelques mesures de pression sur les employés eh bien, on comprend clairement que quand la carotte ne marche pas, pourquoi ne pas essayer la chicotte C'est incontestablement la stratégie qu'envisagent certains pouvoirs publics et responsables d'entreprises pour endiguer la, pandémie, de Covid-19. D'ici là, je nous souhaite une bonne et heureuse année 2021. À vos masques, prêts, lavons nos mains et protégeons-nous et nos proches. Merci Olivier. Ah, t'as trouvé euh, ça, c'est un joli feeling, ça. Merci. Reprends, s'il te plaît. Voilà, c'est la fin de tous à la fada. Vous l'avez bien entendu. Olivier, il dit à masque. lavons nos mains. Protégeons-nous et protégeons nos, proches. protégeons nos proches. C'est la fin de tous à la Fada Français Ossa. Nous étions avec Dr Bakou, nous étions avec Urbain Aguémon du Collab Santé Mère et Enfants. Aujourd'hui, à la FADA, on a essayé de comprendre, de savoir qu'est-ce que traverse ces femmes, ces jeunes moments comment les aider. Wani irin taimako ne kamata a kawo musu wa'annan 'yan matan wanda suka aihu ba cikin ɗakin arme ba, ƙaƙa za a yi a rage kamar kyamar da ake musu don a samu a taimaka musu su unhani kansu su unhani ɗiyansu. Sai mun ƙara haɗa fuskan shirin tus alafa da gobe za a hira tare da dondi shi kuma zai yi zance bisa kan comment accompagner au mieux les jeunes euh, à faire face à tout ce qui peut les guetter. N'oubliez pas le numéro sur lequel vous pouvez réagir sur nos émissions 80 88 à 54. On se dit à la semaine prochaine et bonne année à tout le monde. Bye bye.